Euh, triste, désolant. Euh, vraiment, nous avons de la peine, n'est-ce pas, pour nous exprimer devant le constat que nous venons de faire. Tout est parti. Le CM a été pillé, brûlé. Aucun document administratif n'est là, n'est disponible. Ils ont tout pillé, ils ont tout emporté. Nous ne pouvons que nous désoler, quoi tout ce qu'on avait comme fourniture de bureau, comme fourniture de matériel scolaire, la bibliothèque a été pillée, tout ce que nous avions comme les rames de papier, les ordinateurs, la photocopieuse que nous avions, tout ce que nous avions comme matériel est, est parti. Aujourd'hui, si on doit reprendre, l'école doit tout racheter. Tout, tout est à refaire les portes et fenêtres sont parties, etc. etc. Vraiment, tout a été pire. Bon, c'est les voisins qui m'ont appelé vers 16h30 pour m'informer qu'ils euh, voient des gens entrer dans le SEM et la femme, en me parlant, elle me dit, elle commence à crier pour me dire qu'elle voit de la fumée sortir. Elle me dit, bon, le SEM a pris feu. Bon, voilà, on m'a demandé de rester calme et de rester chez moi. Bon, j'ai attendu ce matin pour venir constater. N'est-ce pas Heureusement qu'un collègue enseignant était passé, n'est-ce pas euh, faire un film, il me l'a envoyé pour me donner les premières impressions. Mais j'avoue que moralement, ce matin, dès que j'ai reçu l'information, j'ai appelé l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Sao, qui sera certainement chargé de transmettre l'information à l'IA de l'éducation. Non, il nous sera très difficile d'évaluer quand même ça en argent. Mais c'est seulement qu'en termes de fourniture seulement, ce que nous avons perdu, c'est beaucoup d'argent. Nous avions des lacosses que nous avions confectionnés, n'est-ce pas et des maillots de sport qui étaient là à peu près, nous avions plus de 150 lacosses, environ plus de 100 et quelques maillots. Vous estimez seulement le coût de ces éléments-là à 3000 francs l'unité, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas Maintenant, les autres, bon, on ne peut pas estimer parce que vraiment, nous avons tout perdu. Concernant les bulletins de composition, je pense que il y aura des problèmes pour les autres années. Mais pour cette année scolaire si nous travaillons avec Planète, qui est au logiciel logé au ministère de l'Éducation, je pense qu'il n'y aura pas de problème de Maintenant, pour les autres années, les livrets sont partis en, fumée. Et bon, certains parents aussi ont appelé pour dire qu'ils ont ramassé des livres et des euh, livrets qu'ils ont par devers hein. Mais on ne peut pas compter sur tout. tout ce que je peux dire aux voisins, c'est que l'école, l'école de la communauté. Nous, nous sommes des utilisateurs, nous sommes des fonctionnaires, nous venons d'ailleurs. Mais l'école appartient aux riverains euh, de l'école. N'est-ce pas Ce sont les enfants qui fréquentent l'école. Euh, maintenant, c'est eux et l'équipe pédagogique. Maintenant, vraiment, nous appelons pratiquement à faire preuve de responsabilité. tout, euh, événement passe. Il y a hier, aujourd'hui et demain. N'est-ce pas Prions le bon Dieu et remercions le bon Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort. Il n'y a que des pertes en matériel, mais pas de vie humaine, etc. Vraiment remercier le bon L'école est complètement incendiée. Donc, je suis vraiment désolé de voir j'étais incendie, le cassement de l'école. Tout matériel est complètement incendié, bougé, pas de traces. Je demande aux parents d'élèves, chacun de nous, n'a qu'à n'a qu'à savoir que l'école, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de, de, de cahier, n'y a pas d'ordinateur, table banc, ni rien. Donc il faut dire que chacun doit faire attention à l'avenir de nos enfants. Depuis 2006, je n'ai jamais vu cet incident-là. Et cette année que tu vois, c'est déplorant à cause de la politique du Sénégal. Pour tous les écoles du, Sénégal soient saccagées, brûlées. Mais je demande, le bon Dieu, tu dois régler, puis tu sais le pourquoi. Puisque dans le CM, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident. Ils sont venus là pour présence des professeurs. Ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Mais vraiment, c'est déplorant. J'ai constaté l'établissement comme c'est beaucoup carré. La direction, il n'y a rien. Ça me fait mal, mal, mal, mal. Vraiment, je ne peux rien dire. Si c'était devant les, euh, les, parents d'élèves qui sont là en groupe, ils sont là tous là pour parler mais mécontentement de, l'incendie de l'école de l'hôtel Lingal 2. Hein, la volée des enfants, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et nous sommes face à examens. Maintenant, je me suis déploré où est-ce maintenant on va mettre nos enfants de l'Indien, de CM Lingal 2, pour passer leur examen, leur concours. Samo fe man, samo fe mem, mem se uplure.